le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam Oui, il est 18h15 au studio Kalangou. C'est l'heure du forum au micro Hamadou Momoni. Bonsoir à tous. Studio Kalangou, nos programmes sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Vous pouvez nous suivre aussi dans les localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saïd. Pour ce forum de ce jeudi 15 septembre, nous vous ferons le point sur la montée des eaux du fleuve Agnamé. L'eau du fleuve Niger baisse à depuis hier, baisse minime, minime certes, mais réelle selon l'autorité du bassin du Niger. Situation un peu contrastée ces derniers jours, marquée par une montée inquiétante des eaux du fleuve. La côte d'alerte orange avait même été atteinte. Pour en parler, vous suivrez Bachir Al-Khali expert hydrologue à la BN. Par la suite, nous allons découvrir ensemble la HANEA, la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique. C'est une structure créée en 2013. Sa tâche, élaborer un programme nucléaire national. La présidente de la HANEA, Dr Minda Soule Zenabou, nous en dira plus. Enfin, une large place à la culture. Hier soir au Palais de Congrès de Niamey, c'était la cinquième édition de la Tabaski du Rire. Au menu, un téléthon en faveur des enfants du DIFA et du Rire, avec des humoristes de renom comme Adama Daiko et le magnifique, tous de la Côte d'Ivoire. Tout de suite, vous aussi vous allez rire. Oui, l'eau du fleuve Niger baisse à Niamey, baisse minime certes, mais réelle selon l'autorité du bassin du Niger. Une information qui contraste avec la situation de ces derniers jours marquée par une montée inquiétante des eaux du fleuve. La côte d'alerte orange avait même été atteinte. Mais cela dit, si les précipitations continuent, le mouvement pouvait s'inverser et la montée des eaux va reprendre. Les explications de la situation avec euh, Bachir al Tanimoun, expert hydrologue à l'autorité du bassin du Niger. C'est depuis le 2 septembre, effectivement, nous enregistrons une montée des eaux du fleuve euh, suite aux différentes, euh, c'est-à-dire la pluviométrie enregistrée au niveau du haut bassin et surtout sur euh, les affluents rive droite, à savoir le Dargol, le Gourol et la Sirba. À ce jour, depuis hier, depuis le, 12, nous sommes rentrer dans la ligne, c'est-à-dire l'alerte orange, qui est de l'ordre de 580 cm sur le fleuve. Et cette situation avait persisté jusqu'à hier, qu'on avait enregistré une côte euh, importante qui est de l'ordre de 0,03 euh, mètres sur le fleuve Niger correspondait à, une, un débit de près de 2340 mètres cubes par seconde. cette situation, il faut comprendre que c'est surtout euh, l'influence de, de, la Sirba qui avait enregistré de fortes pluies sur le bassin versant de la Sirba et cela a impacté vraiment significativement sur la situation de niveau d'eau au niveau de Niamey. Alors jusque-là, c'est les, affluents de la rive droite hein, uniquement Oui, jusque-là, c'est les affluents de la rive droite c'est-à-dire, c'est qu'il faut comprendre les, les, les, les, écoulements venant du haut bassin, à savoir le Mali et la Guinée. Il faut comprendre qu'il y a un, bassin qui s'appelle, un niveau qui s'appelle le delta intérieur, qui, à, à vrai dire, c'est un lac que l'autre côté, qui est jusqu'à présent au cours de remplissage. Et il n'est pas rempli pour déversé en aval pour dire que c'est il y a cette il y a cette contribution significative du, haut bassin. Mais ce reste que au niveau du Mali effectivement on a les échos que la pluviométrie également elle est importante. Donc vraiment ça il faut comprendre que donc la durée que le, le delta prend pour se remplir, cette fois-ci peut-être ça va être une durée plus courte, relativement courte, et que et vite, on va euh, voir une euh, légère montée également, c'est-à-dire euh, avec l'apport de, ce haut bassin. La côte orange, ça implique quoi La côte orange, elle implique un certain nombre de précautions, un, certain nombre de précautions qui ont été demandées au niveau des autorités compétentes, surtout au niveau de Niamey, à l'aval de Niamey, à savoir à Malanville et au Nigeria, et tout ce qui est vraiment système d'évacuation des eaux, pour que ça soit très vite mis en en état pour permettre vraiment la bonne évacuation des écoulements. Mais néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de l'autorité du bassin du Niger, à part le suivi, il y a un certain nombre de prévisions qui, sont élaborées au jour au jour. Actuellement, c'est que la situation au niveau de cette partie des affluents est, relativement en baisse, ce qui a effectivement montré cette euh, descente, c'est-à-dire cette euh, baisse des écoulements au niveau de, de Niamey depuis hier nuit effectivement, nous avons une situation qui, est, qui tend vers la situation jaune. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc euh, c'est euh, en train de diminuer. Oui, c'est en train de diminuer. On, observe une diminution de, 603, comme je disais, cm. Ce matin, on, a 595 cm. Donc euh, soit une diminution de près de 10 cm comme vous pouvez le constater. Et cette situation pourrait euh, continuer à être observée si réellement, c'est-à-dire des, pluies importantes n'ont pas été enregistrées sur cette partie de, euh, de la rive droite que je vous parlais tantôt. Et si c'est le contraire si c'est le contraire, ça c'est clair, on est dans, déjà sur, euh, au niveau d'une euh, alerte orange, donc c'est l'alerte euh, rouge qui risquerait d'être déclenchée. Et là, nous allons enregistrer vraiment de fortes inondations qui peut entraîner un certain nombre de dégâts, surtout matériels, et surtout cette fois-ci, comme cette situation de, c'est-à-dire cette situation d'inondation est assez médiatisée et la population, j'espère bien, qui sont euh, conscient de cette situation, d'où ça pourrait ne pas créer vraiment, à dire euh, des dommages très significatifs, parce que de lors, depuis hier ou avant-hier, la population des riverains de cours d'eau ont commencé à déballer leurs euh, effets et matériels. Donc vraiment, nous souhaiterons que cette sensibilisation et l'apport du média dans cette diffusion de l'information pourrait continuer pour nous permettre vraiment de préserver au maximum vraiment les matériels et également les vies humaines euh, qui suite aux inondations ou au débordement du fleuve. Quel est votre message, le message de l'ABN Le message de l'ABN, c'est toujours vraiment la sensibilisation. C'est-à-dire, nous, on va, c'est notre travail déjà d'informer la population sur euh, le comportement euh, du cours d'eau principal, à savoir le fleuve Niger et ses affluents, pour permettre vraiment aux autorités compétentes de prendre des bonnes décisions. Donc, c'est pour cela que nous avons des outils à notre disposition qui nous donnent des infos, qui nous permettent d'élaborer des prévisions euh, de courte échéance et de longue échéance pour permettre vraiment de donner la bonne information et à temps pour préserver ce qu'il faut préserver. Prévision à longue échéance, qu'est-ce qui est prévu pour euh, la montée des eaux sur le fleuve Niger Pour euh, la période de la pluie, la pluviométrie, c'est les, les, prévisions à courte échéance. On a déjà élaboré euh, pour des prévisions de, de trois jours à Niamey qui prévoir, comme je disais tantôt, euh, une, une, baisse des, des, écoulements au niveau de, de Niamey, mais également à, à, partir du mois de, du 15 octobre, nous allons élaborer une prévision de, de longue échéance, à savoir euh, de deux à trois mois pour donner la situation, comment le comportement du fleuve avec l'apport de, c'est-à-dire du haut bassin, de l'écoulement du haut bassin, parce qu'en octobre déjà, on suppose que la pluviométrie va cesser de, d'être enregistrée. Maintenant, c'est la crue, la deuxième crue qui s'appelle la crue noire, qui est attendue au niveau de Niamey et aval à Niamey. Et cela va nous permettre également de faire cette prévision pour permettre aux riverains, c'est-à-dire les activités et d'irrigation aux alentours de Niamey, Tilaberi et Aval, c'est-à-dire le Bénin et le Nigeria, pour leur permettre vraiment de faire une bonne planification sur leurs activités et cette euh, prévision de longue échéance, on l'appelle de, l'ordre de trois mois, sera élaborée par l'ABN et diffusée à, tous ces acteurs qui pourront faire des bonnes planifications sur vraiment la manière de se comporter et également les barrages qui sont en aval, à savoir Kenji et Jeba. D'ici octobre, est-ce que les populations riveraines sont réellement menacées Oui, au, vu de, au vu de euh, la forte pluviométrie qui a été, qui est enregistrée, qui continue d'être enregistrée, euh, tantôt sur le Niger, moyen et également sur le Niger supérieur, nous pouvons que dire vraiment, c'est-à-dire d'attirer l'attention qu'il faut toujours rester au qui-vive sur la situation. Parce que il se pourrait vraiment que euh, cette situation qu'on observe déjà pendant la, cette, cette période avec la crue locale, avec les, les, apports de la pluie, mais également les fortes pluies qui ont été enregistrées sur le haut bassin, pourraient également vraiment maintenir cette situation observe. Quand les eaux montent, euh, il y a des inquiétudes, mais aussi il y a des avantages, nous j'imagine. Oui, il y a des avantages parce que je, vous disais tantôt, avec euh, euh, les différentes activités d'irrigation qui se passent, qui ont besoin de, de, de, de l'écoulement, mais aussi la, la, la, gestion des barrages qui nous donne l'énergie que, qui est diffusée à travers, c'est-à-dire le, le Nigeria, et le Niger et même le Burkina Faso. Donc c'est les mêmes barrages qui fonctionnent avec vraiment cette, cet écoulement. Toujours s'il y a l'eau, c'est bon. Et également vraiment le côté négatif, c'est que c'est l'impact que ça peut euh, ravager les cultures, mais il faut vaut mieux avoir que de ne pas avoir. C'est ça au juste. Parce que le stress hydrique, euh, personne ne le souhaite. Euh, si vous pouvez vous rappeler de la situation de 1985, qui a fait que le cours d'eau du Niger s'est euh, tari et que là où tu peux traverser même à pied, ça nous ne souhaitons jamais cette situation. Donc il vaut mieux s'adapter de la nouvelle donne qui est vraiment avec l'effet du changement climatique. Rappelez-nous le rôle de l'ABN. Le rôle de l'ABN, c'est la veille environnementale, socio-économique et tout ce qui s'en sort. Donc notre rôle, c'est de tenir informer les États et également les aider dans la bonne planification des activités et du développement de la sous-région et du, bassin du Niger en particulier. Vous venez de suivre Bachir al expert hydrologue à l'autorité de bassin du Niger sur les eaux du fleuve Niamey. Une situation contrastante avec une baisse minime depuis hier, mais euh, alors qu'un peu avant, c'était même la cote d'alerte orange. La Hanea, vous connaissez Eh bien, si vous n'en savez pas grand-chose, euh, sachez que c'est la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique. Elle a été créée par décret présidentiel en date du 4 décembre 2013. La Hanea s'attelle actuellement à l'élaboration d'un programme nucléaire national harmonisé. Quelle est l'importance de cette structure pour le Niger Quels sont ses domaines d'intervention C'est entre autres questions que notre reporter Nafis Adamou a posées à la présidente de la Hanea Docteur Mindaoud Soleil Zainabou, écoutons ses explications. La HANEA est une structure euh, qui a été créée pour euh, superviser, promouvoir, coordonner toutes les applications nucléaires au Niger, y compris l'électronucléaire et puis les radiations ionisantes. En fait, c'est à partir du programme de la Renaissance du président de la République. Dans ce programme, son Excellence, Monsieur Issoufou Mamadou, s'est engagé à promouvoir l'utilisation pacifique de l'atome pour le développement économique et social du Niger, en particulier avec euh, l'introduction de l'électricité nucléaire dans le bouquet énergétique national et sous-régional. Donc euh, déjà au Niger, depuis plus de 25 ans, les gens utilisaient les applications nucléaires de façon assez dispersée, plutôt je dirais personnalisée. Dans certains cas, euh, même la, la hiérarchie n'était pas au courant de ce qui se passait. La HANEA est venue pour centraliser toutes ces activités puisque c'est évident que si ça avait bien marché avant, ça aurait été beaucoup plus visible que ça. Donc maintenant, avec le programme électronucléaire, il y a des exigences des institutions internationales. Il y a un processus qui voudrait qu'on mette en place des structures, trois en particulier, une autorité à l'énergie atomique, une autorité de régulation, et puis ce qu'on appelle le NEPIO, c'est en anglais en, français, c'est l'organisme qui se charge du programme euh, électronucléaire. Donc euh, nous, on adapte ça à nos réalités nationales. C'est pourquoi, dans un premier temps, la HANEA a été créée. Nous avons travaillé depuis notre installation pour euh, finaliser donc le projet de loi qui va créer l'autorité de régulation qui a été adoptée il n'y a pas longtemps par le Conseil des ministres. Quelles sont les missions qui sont assignées à votre institution, la HANEA Les missions principales c'est la coordination, la promotion, la supervision de toutes les activités nucléaires euh, pacifiques. Et ça, ça, euh, il y a un éventail très large. On a la sécurité alimentaire, la santé humaine, l'hydraulique, l'environnement, euh, l'énergie, le développement industriel, l'enseignement, la formation et la recherche, en vérité, pour euh, résumer, il y a aujourd'hui à peu près 12 ministères qui sont impliqués dans ces activités. Donc c'est pas seulement l'énergie. Parce qu'en général, quand on parle euh, de nucléaire, les gens pensent seulement à l'énergie ou bien à la bombe. Non, l'ANIA est surtout le point focal de toutes les institutions internationales qui travaillent dans le domaine nucléaire. Pouvez-vous nous expliquer ce concept de l'énergie atomique Je ne veux pas rentrer dans des termes vraiment spécialisés. Mais ce que je peux vous dire pour résumer, c'est que si vous regardez la composition de la matière, on dit que toute matière est composée de molécules. Les molécules ont des atomes et les atomes aussi ont un noyau, des électrons. Et il y a le noyau aussi, il y a des choses euh, beaucoup plus petites qu'on n'a pas encore fini de découvrir. Le mot nucléaire même vient du noyau. Donc il y a certains atomes qui sont radioactifs, si vous voulez. Radioactif, ça veut dire que change en libérant ou en acquérant un électron ou une particule et il libère de l'énergie. Donc cette énergie-là, c'est elle qui est utilisée dans les applications des sciences et techniques pour, euh, par exemple, le cas le plus concret, la médecine, le cancer. Pour traiter le cancer, euh, pour le moment, il n'y a pas euh, une méthode plus efficace que, que celle-là. Quel est le lien avec le Niger En quoi cette question de l'énergie atomique concerne le Niger Est-ce que peut-être c'est parce que le Niger pourrait produire de l'énergie atomique ou bien Le lien avec le Niger, déjà, je viens de vous parler de la santé. Les problèmes de cancer, je crois que c'est le monde entier, il n'y a pas seulement que le Niger. Donc, donc toute technologie qui peut aider à lutter contre ce fléau, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être sous-développé ou développé, tout le monde en a besoin. Maintenant le Niger, pourquoi euh, le Niger particulièrement dans la sous-région doit s'occuper de ces choses On est quand même quatrième producteur mondial d'uranium et c'est ça la matière principale pour euh, faire le combustible nucléaire par exemple, combustible pour les centrales nucléaires. Donc si nous, nous sommes producteurs euh, d'uranium, c'est ça que Dieu nous a donné. Autant chercher à faire profiter le maximum de gens de cette ressource. Il ne s'agit pas seulement d'aller vendre euh, aux autres et puis de prendre l'argent, mais de, de montrer à la population ou de faire en sorte que la population puisse bénéficier de façon directe. Donc des techniques ont déjà été développées et prouvées ailleurs et même des fois ici au Niger, que ça peut aider dans le domaine de l'agriculture, ça peut aider dans le domaine de l'élevage. Je peux vous donner des exemples. Euh, il y a des espèces euh, de plantes qui, traitées par le nucléaire, vont résister beaucoup plus aux conditions sévères que nous connaissons ici. Et on peut lutter contre la désertification. Par exemple, euh, c'est des techniques nucléaires qui ont permis de détecter qu'il y a de l'eau dans le Sahara. Votre institution, quelles sont les réalisations qu'elle a effectuées dans ce domaine vous savez que la première chose, c'était de mettre aux normes notre cadre juridique et institutionnel. Parce que si euh, on veut aller loin, il faut poser les bases solides. Donc nous avons commencé par ça. C'est dans ce cadre que nous avons travaillé et fait adopter par l'Assemblée nationale jusqu'à cinq conventions dans le domaine nucléaire. Donc c'est par rapport à la sécurité. Ensuite, euh, nous avons ratifié le traité de Pelindaba. Nous avons maintenant le projet de loi sur euh, l'autorité de régulation. Ensuite, il y a un autre projet en cours, un projet de loi en cours qui s'appelle loi nucléaire. Au niveau international aussi, euh, je peux vous dire que le Niger a quand même retrouvé sa place de leader naturel. Leader naturel parce que c'est nous qui avons l'uranium dans la sous-région. Si on parle de nucléaire, on doit quand même être devant. Nous avons commencé avec tous les autres, avant tous les autres. Et tous les pays qui s'amènent aujourd'hui, ils ne viennent pas parce qu'ils ont quelque chose, ils viennent pour la santé surtout. Donc nous avons organisé la première réunion ici du groupe ouest-africain pour le programme électronucléaire régional intégré et la HANEA assure le secrétariat provisoire. Ensuite, euh, il y a l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Il y a une station qui est à Toruri et c'est un réseau de trois 337 stations que l'OTIS a mis en place au niveau mondial pour détecter les tests nucléaires, qu'ils soient faits sous terre, sous mer, dans l'atmosphère, euh, partout où les gens font des essais, on voit. Donc là, justement, on va montrer comment la station sismique de Toro a détecté le tremblement de terre d'Italie et l'essai nucléaire euh, nord-coréen de la dernière fois. Et comment d'ailleurs on sait que c'est la Corée et on sait que c'est l'Italie. Ça, on, on va montrer aux gens comment ça se passe. Donc c'est pour vous dire que nous avons des outils ici. La station là détecte tout ce qui se passe à 10 000 km à la ronde. Un rayon de 10 000 km, tout ce qui se fait sous terre, cette station le détecte. Elle est là depuis euh, pratiquement 10 ans, mais personne ne savait euh, ce qui se passait là-bas. C'est avec la création de la HANEAC, euh, quand nous avons pris en main les choses, nous avons négocié des formations avec l'OTIS et là, toutes les structures qui doivent être impliquées le sont et les activités aujourd'hui sont revenues. D'ailleurs, au passage, le Niger occupe la vice-présidence du Working Group B de l'OTIS, c'est une instance dirigeante de l'OTIS. Il y a l'organisation de la conférence générale de l'AIUA et du conseil de gouverneurs. C'est, la conférence générale, c'est une fois par an. Donc là-bas, il y a une délégation qui doit aller au nom du Niger. Il y a des activités parallèles qui sont menées. Donc les membres de la délégation doivent participer à ces activités. Et depuis la création de la HANEA, en tout cas, nous avons mis un point d'honneur pour que avant chaque conférence, conférence, tout le monde s'entend sur ce qu'on va aller faire et dire là-bas au nom de notre pays. Merci, madame. Euh, merci. Voilà, vous venez de suivre Dr Mindaoudou Soule Zenabou, la présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, ANEA. 18h36 à Bouza, le palais de congrès de Niamey a servi hier soir de cadre pour la célébration de la cinquième édition de la Tabaski du Rire. La Tabaski du Rire, selon ses organisateurs, vise à déstresser le public de Niamey après la fête qui a préoccupé pas mal de gens à cause de la chair de moutons en ce temps de sécheresse financière. La particularité de cette année, c'est l'organisation d'un téléthon en faveur des enfants de la région d'Idifa qui vont à l'école et qui ont besoin du soutien de tout le monde à cause de l'insécurité. Cet événement culturel a enregistré la présence des députés Salif Meyati et Abdurrahman Oumarou, les parrains d'ailleurs de l'édition. Mais ce sont surtout les célèbres humoristes ivoiriens Adama Daiko et le Magnifique qui ont tenu en haleine le public. Suivons d'abord cet extrait de la prestation de celui qu'on appelle président Adama Daiko. Policier le volant. Monsieur, vous ne savez pas que c'est interdit de téléphoner au volant Il dit, mon frère, pardon, je suis très pressé parce que c'est un businessman, mon téléphone a sonné, je suis obligé de prendre pour répondre, vraiment, excusez-moi, euh, on va se voir. Non, non, non, tu vas payer la contravention. Bon, en Côte d'Ivoire, c'est 10 000, mais à débattre. 10 000 pour l'État, à débattre pour le policier. Mais ben, au Niger, le gars dit, bon, euh, tu vas payer 5 000. Il dit, ben, ah, chef, je n'ai que mon téléphone, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de porte-monnaie. Bon, on va voir ça après. Non, non, non. Voilà mon numéro. Tu as combien d'unités Le gars, il vérifie, il dit, il y a unité 10 000, il dit, fais transfert 5 000. Je voudrais qu'on acclame très fort la police Il est. un bon travail. Mais le policier ivoirien a une particularité policiers ivoiriens, ça dépend de là où ils travaillent. Si c'est un quartier populaire, ils s'en foutent. Oh, oh, oh, oh, oh oula, venez ici. Venez ici, là, oh, venez ici. Carte d'identité. Le monsieur, il sort la pièce d'identité pour la vérification. Il dit, bon, carte de travail. Il sort sa carte profession. Il dit, ah bon, tu veux dire que tu es au complet Il dit, chef, tu as demandé carte d'identité, j'ai donné. Carte de travail, j'ai donné. Tu veux quoi Il dit, ok, carnet de baptême. Il dit, chef, je vous jure que moi, je ne suis pas chrétien. Il dit, voilà, attestation des musulmans. Donc quand tu n'as pas, il va te raquer. Maintenant, quand tu travailles dans un quartier chic, où on voit rarement le propriétaire de la maison. C'est-à-dire quand vous le voyez, il sort de sa voiture ou il rentre dans, sa cour. C'est des vigiles qui sont devant la porte. Un quartier comme ça, on ne sait pas c'est qui. Donc quand tu vois le véhicule venir, bonjour, monsieur, dame, même quand il est seul. Bonjour, messieurs, dames, contrôle de routine, les presses afférentes aux véhicule, contrôle de routine, autorité pour vous servir. Il prend la carte d'identité, il regarde, il dit Ah, <laughs> vous êtes magistrat. Ah, ok, d'accord, c'est bien. Madame à côté, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est juste un contrôle. Hein. Ah, madame vous est magistrat. Oh, quel beau couple de magistraux. Vous savez, en Afrique, il n'y a pas que le pétrole, l'uranium, la bauxite, que nous devons exploiter. Il y a un produit intérieur plus que l'Afrique exploite. Vous savez, c'est quel produit Les coup d'État. Les coups d'État en Afrique, c'est devenu comme une matière première. Il y en a qui prospèrent dans ça. Et quand il y a un coup d'État, on installe un régime militaire. Mais c'est quoi un régime militaire dans un État de droit Un régime militaire dans un État de droit, c'est un régime d'exception dans lequel on parle de transit pour l'élaborat d'une constitution avant l'organisation des élections après donc les différents travaux en commis, le chef de l'agent doit entreprendre des actions de réconciliation pour une refondation et mettre en place de bons instituts. Malheureusement, dans ce régime, on constate qu'il trop d'arrestats, de perquisis, d'interpellats, de manipulats, de condamnats et de disparus. Pendant qu'on parle de globalisa, de mondialisa et d'intégra, l'on s'attache sur des sur des subordinats et ça crée une divise dans la République. Dans la République, il y a des répétitions. C'est qui <laughs> euh, Vous qui filmez avec votre téléphone, si c'est Shintok, c'est pas la peine. Parce que moi, je ne tire pas dans Shintok. Vous nous filmez comme ça pour aller montrer à qui ah, que Dieu fasse que vos portables se déchargent maintenant. attaque Je suis arrivé à Niamey, mais je vous assure que le Niger est le pays le plus démocratique en Afrique. La démocratie au Niger, il n'y a pas son deuxième. Le seul pays où on peut être candidat, être en prison et puis aller au deuxième tour avec un président qui est au pouvoir. Ça, c'est la démocratie. Voilà, Daiko, hier soir au Palais des Congrès, à la cinquième édition de la Tabaski du Rire. Daiko, il faut le dire, participe pour la première fois à cette édition, euh, enfin, à, ce, ce festival du rire. Et pour lui, la soirée d'hier était une très belle expérience. Celui qui se nomme le président Adama Daiko est au micro de Kenda Mariam Diallo ben, Je me nomme euh, Dolo Adama, hein, c'est mon nom l'état civil, mais on me connaît euh, plutôt sous le pseudonyme de Adama Daiko. Mais Daiko, le D signifie Dolo, A Adama, H humoriste, I international, C communicateur, O ouvert. Et donc, euh, pourquoi avez-vous choisi ce nom ben, J'ai choisi ce nom pour la simple raison que je travaille sur un concept africain, le Doromikan, qui veut dire en langue malinquée, parole de quelqu'un qui boit. Alors je me servais donc euh, de cet état de quelqu'un qui est sous le fait de l'alcool pour, pour décrier, pour dénoncer, pour amuser, et puis bon, pour dire des choses qui sont souvent parfois difficiles à dire, hein, avec respect. Donc euh, j'ai critiqué et j'ai choisi Daiko parce que Daiko, est en langue euh, de rue en Côte d'Ivoire, ça veut dire quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool et j'ai vu que c'est facile à prononcer et partout en Afrique, les gens ont adopté ce nom. Je pense que bon, euh, ça me sert bien. Et avec ça, vous arrivez à véhiculer aisément vos messages. Oui, tout à fait. Je suis écrivain. Je suis écrivain, auteur donc de quatre livres disponibles en librairie. Et je vous donne depuis le Niger en exclusivité euh, euh, le titre de mon prochain livre. Mon prochain livre va s'intituler Je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Voilà, c'est le titre de mon prochain <laughs> livre. c'est pour vous dire que je, je, suis également chroniqueur radio du vendredi, je fais des émissions à la radio. J'imite au moins, au moins, au moins huit voix, au moins huit voix à la radio, hein, des, personnalités de mon pays, le président Ouattara, euh, Jean Ping, euh, les Camerounais, les Guinéens. Euh, puis je suis directeur d'un festival, le Festival international du riz d'Abidjan. Donc j'ai un volume de travail de création énorme. Donc bientôt j'aurai 30 ans de carrière. Et tout à l'heure quand vous avez prononcé, vous avez donc donné le titre de votre de votre dernier livre. vous avez laissé paraître un sourire. Pourquoi Madame, je vais vous dire une chose. Hein. On accuse beaucoup la France, euh, surtout les pays de l'Afrique francophone. Mais nous ne comprenons pas pourquoi nous avons tant de richesses, nous avons tant des ressources humaines. Et si vous n'êtes pas allé séjourner en France, si vous n'êtes pas allé faire une formation en France, euh, c'est comme si vous n'êtes pas valable. Voyez-vous, si vous n'avez pas un compte en banque en France, si vous n'avez pas, un, si vous n'êtes pas un chef d'État qui a une maison en France, je dit non. Il faut que je gouverne la France pour mieux comprendre l'Afrique. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pays qui a du pétrole, un pays qui a du bois, qui a du manganèse, qui a de l'uranium, ne puisse pas jouir pleinement de, de cette richesse que Dieu lui a donnée Peut-être qu'en gouvernant la France, je pourrais mieux comprendre le continent africain. Voilà pourquoi j'ai lancé un sourire parce que je je m'attendais à, une réaction et vous m'avez donné cette réaction. Vous avez écarté les yeux. <laughs> D'accord. Et, là, le, Festival du Rire euh, pour la, fête du Tabaski. Vous êtes à votre quatrième édition euh, C'est la cinquième édition, mais moi c'est ma première euh, participation parce que je devais venir depuis, mais quand on a fini les élections en Côte d'Ivoire, c'était pas facile de, me faire jouer parce que j'étais encore dans l'émotion de présent et tout. Mais mon, mon premier véritable spectacle c'était du CP1 à la CPI comment étant candidat, comment étant au, au, je deviens plus tard candidat à la présidentielle ivoirienne. Ça fait CPI vous Donc c'est un spectacle d'une heure trente. Mais là, c'est une participation. Je suis venu pour dire aux Nigériens que je ne les ai pas oubliés. C'est un public qui m'a adopté depuis 99 quand je suis venu ici. Donc c'est une façon pour moi de dire que euh, je suis toujours dans, l'humour. Vous avez vu le spectacle que j'ai fait ce soir. Euh, pour ceux qui comprennent l'humour, comprendront que l'exercice d'improvisation est très très difficile. D'abord, je me suis entretenu avec le public et puis après, je demande qu'on me pose des questions. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont envie de dire des choses, qui ont envie de savoir des choses et en même temps, ils posent des questions. C'est amusant et vous avez vu la fierté qui a posé la question, c'est ça. C'est comme ça, on apprend tous les jours et ça me permet d'être en contact avec le public. C'est ça aussi Adama Daiko, c'est ma touche. Vous venez de voir donc ce public qui est présent aujourd'hui. Quel est votre euh, regard euh, à l'endroit de ce public Est-ce que c'est un grand public auquel vous vous attendiez ou bien selon vous, c'est un public euh, qui n'est pas à la hauteur de votre prestation oh, Madame, vous savez, le public est notre premier patron. nous sommes à un troisième jour d'une fête. Les gens sont certainement fatigués, ils ont beaucoup dépensé et tout. Sinon, il y a eu une très bonne communication. Alors j'aurais euh, aimé jouer dans une salle quasiment pleine, mais je pense que le public, quel que soit le nombre, ce qui est important, c'est la qualité du public et la qualité du spectacle que vous leur offrez. Alors vous avez travaillé avec des Nigériens, vous êtes avec eux, c'est avec eux que euh, vous avez certainement euh, fait tout ce programme pour être là. Est-ce que vous pensez que l'humour au Niger a un avenir moi, je voudrais vous faire une confidence. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, quand euh, on a vécu la crise, je fus l'un des premiers humoristes euh, à appeler tous les autres humoristes pour leur dire notre mission, c'est de gagner la population. Notre mission, c'est de dénoncer. Notre mission, c'est de dire aux politiques, voilà comment est-ce que le peuple vous regarde. Donc, à travers l'humour, on peut caricaturer, on peut, on peut dire des choses qui sont parfois difficiles, mais l'humour peut nous permettre, peut nous autoriser à, à distiller, euh, je veux dire, la bonne humeur en touchant du doigt, hein, comme on le dit, les, les vrais problèmes euh, du peuple. Euh, l'humour a un avenir dans la mesure où il y a un festival d'humour ici, dans la mesure où ces gens de spectacle, les gens sont commencent à être habitués. Euh, je pense qu'il appartient aux humoristes maintenant de travailler, de mériter la confiance du public afin que chaque fois quand il y a des spectacles, que les gens viennent découvrir des textes. Parce que c'est ça, c'est ce que je reproche souvent aux humoristes. Il y en a qui vont sur, sur, Internet, ils prennent des blagues qu'ils racontent, il n'y a pas de souci. Mais c'est bon quand même qu'ils prennent un peu de leur temps pour écrire. Et quand vous écrivez, ça vous donne le temps de vous développer vous-même et puis le public aussi vous suit. Ça fait 28 ans que je fais ce métier. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes beaucoup aimé, beaucoup apprécié par ce peuple à cause de ce que vous faites. Est-ce que vous pensez que c'est parce que le peuple ivoirien en réalité a un esprit de faire play Je vais vous dire aussi, en Côte d'Ivoire, euh, nous prenons tout pour nous amuser. On sait blaguer, on sait se taquiner, on sait se moquer, mais ça se fait dans le respect. C'est un peuple fair-play, honnêtement, ça il faut que je vous le dise. Et c'est ce qui a sauvé même la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut toujours donner espoir. L'humour donne de l'espoir. Je vous ai vu improviser tout à l'heure sur scène. Si là, je vous disais en quelques secondes d'improviser quelque chose. Ben, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous recevons le président Alassane Draman président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara, bonsoir. Mais pourquoi est-ce que euh, euh, on vous a appelé Ado la solution en 2010 quand vous étiez candidat. Mais, ben, mesdames et messieurs les journalistes, euh, je voudrais donc euh, profiter de cette occasion pour vous dire que je me suis fait appeler Ado la solution parce que c'était moi le problème. Eh, c'est Daiko, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, Adama Daiko, hier soir, à la cinquième édition de Tabaski du c'était au Palais de Congrès. Un autre humoriste qui a fait rire le public, c'est le magnifique

Technically, on organise son plan pour venir dans la truc à côté, vous êtes venu à Cameroun, votre France venir. Et puis la truc à côté, là, tout va prendre place. C'est dans la maison qu'on ne parle pas du nom. On ne parle pas du nom dans le funérail, sinon on va du quoi comme ça. Non, il est connu carrément envoyé, vous venez la consoler, et puis voilà un extrait de la prestation de l'humoriste ivoirien Le Magnifique. Le Magnifique est, disons, un régulier du, de Tabaski du Rire. Il est à sa troisième édition. Et pour Le Magnifique, l'humour a vraiment de l'avenir au Niger. Écoutons-le. Je suis humoriste africain, d'autres m'appellent commandant Moriba. Je suis le commandant chargé des opérations positives et de la lutte contre la mauvaise humeur en Afrique et partout dans le monde entier. D'accord. Euh, c'est la première fois que vous assistez à la Tabaski du Rire Non, c'est pas ma première fois. Euh, pour la Tabaski du Rire, ça fait la troisième fois que je viens. Mais j'étais déjà venu ici auparavant une, deux fois pour Little euh, Lip Taco Awards. Voilà. Et donc vous pouvez nous faire une comparaison par rapport à cette à ces trois éditions À la cinquième édition, j'ai vu vraiment une grande mobilisation. J'ai vu un public déterminé, euh, venus rire, s'amuser, partager les moments de joie et de plaisir avec nous. Vraiment, ça a été un vrai, un réel plaisir. C'est pourquoi à chaque fois qu'on me sollicite de venir à Niamey, je discute même pas caché, je n'hésite pas. Je viens d'abord avant de demander c'est comment. <laughs> voilà. Euh, par rapport à la Côte d'Ivoire, euh, euh, le Niger, en ce qui concerne l'humour, qu'est-ce que vous en dites Oui, en fait, au Niger, quand je fais quelques analyses, l'humour est en train d'avancer. Déjà, les soirées ont commencé depuis, ça fait, je vous ai dit tout à l'heure, ça fait la quatrième fois que je viens. Donc, à chaque fois que je viens, je remarque une évolution au niveau de l'humour. J'ai des amis ici comme Djengiri Lompo, il y a d'autres aussi qui, d'autres humoristes et d'autres comédiens qui émergent un peu, un peu. Donc, je pense que l'humour est en train d'avancer. En Côte d'Ivoire, bon, nous, on a déjà, depuis longtemps, on a lancé, mais c'est un programme, ça s'est fait un peu, un peu, un peu, étape par étape. On peut pas du coup comme ça. Donc euh, déjà, je félicite déjà les organisateurs, les promoteurs et aussi les humoristes d'ici, les comédiens d'ici. Quand on vient, on est toujours ensemble, c'est la famille, c'est un échange entre deux deux, familles. Voilà, donc euh, vraiment l'humour évolue un peu partout sur le continent africain. Et si on vous demande d'anticiper quelque chose, vous avez l'habitude de le faire tout à l'heure, qu'est-ce que vous ferez pour faire rire à euh, des gens qui sont devant vous je dirais, hé Ah d'accord, femme de Niamey, ça va Je dis toujours, la beauté donne foyer, mais c'est le comportement qui amène à la mairie. Hmm, n'oubliez pas, garçon, garçon, travail. Travail, c'est le travail paye. Parce que les femmes n'aiment pas pauvre. Si vous voyez une femme qui sourit à un pauvre, c'est pour demander un renseignement. Donc n'oubliez pas, ceux qui sont à l'écoute, ceux qui nous suivent, c'est le magnifique, c'est le commandant Moriba. On est ensemble, je vous aime Niamey, je vous adore et à très bientôt. Merci beaucoup pour la soirée, que Dieu nous garde. On est ensemble. Merci à vous. Voilà, voilà, voilà, magnifique euh, à Tabaski du Rire hier soir au Palais de Congrès de Niamey. Nous restons dans le domaine de la culture avec euh, le groupe Gumbestar qui fête samedi prochain son 20e anniversaire au Palais de Congrès de Niamey justement. En prélude donc à cet événement, Gumbestar a organisé ce matin une conférence de presse pour informer le grand public on note euh, la présence d'autres artistes comme Aishatou du groupe Soga, Denke Denke, Feno du groupe Kaidangaskia, ainsi que Alfadi, le promoteur du film. L'artiste chanteur de ce groupe affirme qu'en 20 ans, le Gumbestar est devenu un orchestre très apprécié par les Nigériens, et ce malgré quelques difficultés. Malam Yaro est au micro de Mariam Kandadialou. 20 ans de combat, 20 ans de 20 ans de vie, vie artistique aussi. Donc euh, vraiment 20 ans de combat, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois, 20 ans vraiment, c'est quelque chose de spécial. Hommage aussi aux, artistes disparus comme euh, euh, Saadou Boudi, Moussa Poussi, Alash Taya, Kadir Tintrimay et Omar Dambari. Donc, euh, hommage aux artistes aussi. Mali, euh, quand vous chantez, euh, vous parlez beaucoup de paix et de la femme. Pourquoi La paix. Aujourd'hui, dans ta maison, Là où tu vis, si tu n'as pas la paix, comment tu vas s'en sortir La femme aussi, c'est la femme de, l'humanité, c'est nos mères, c'est nos frères, c'est nos soeurs c'est nos mamans. Donc on est obligé de chanter aussi pour la femme. Et, durant ces 20 ans de combat, de carrière, de travail, Maliero, qu'est-ce que tu peux dire Ce que je veux dire, euh, c'est difficile, euh, à, surtout au Niger. Euh, on appelle toujours nos fans, c'est nos fans qui sont en train de nous aider on fait euh, chaque, semaine, on, joue, on dans les bars, dans les mariages, pour avoir, pour, euh, pour construire nos vies. Donc euh, vraiment, on va dire merci à nos fans qui sont toujours derrière nous. Quand vous parlez, on sent que vous parlez de difficultés financières, c'est bien cela C'est ça, c'est ça. Regarde, aujourd'hui, on était là, on n'a pas seul sponsor qui nous suit. Maliaro Gumbestar, comment, comment est né le Gumbestar Comment est-ce que tu es venu donc à la musique eh, on a commencé aussi en 96 et en 98, eh, il y a Wapuanko Promotion Soumantine qui a, qui a, qui a organisé un concours. Que on, a, on a eu notre troisième prix, eh, un morceau qu'on a fait Azu. Donc, euh, c'est de là, oh, il y a les médias qui sont commencés à faire parce qu'on a fait un morceau harassé. C'est de là c'est parti. Et puis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on va dire on, on, travaille, on ne s'arrête pas à travailler aussi. On va toujours euh, foncer parce que nous voulons, nous voulons travailler pour notre pays. Nous voulons travailler pour connaître notre, euh, notre culture, notre drapeau nigérien, notre drapeau. Donc vraiment, on ne va pas cesser, on va pas croiser le, bras pour, euh, pour regarder. On va travailler. Pourquoi Goumbé Star Ça veut dire quoi Goumbe? Bon, Goumbé, c'est eh, un, tambour, tambour, un tonneau eh, construit avec euh, un pot de vache. Eh, je commençais avec le Goumbé. Et cela, c'est parti. Je, en 98, je, commençais à jouer la musique avec la batterie, les guitares, tout, tout, tout, tout. Donc aujourd'hui, jusque-là, on, on, a laissé le groupe, mais on, est, on joue avec l'orchestre. Une dernière question, quelle est ta relation avec les autres artistes Par exemple, aujourd'hui, on a vu Aïchato et Dankwali. On n'a pas vu beaucoup d'autres artistes. Mali, est-ce que ça veut dire que tu ne t'entends pas avec euh, euh, beaucoup, beaucoup d'artistes euh, C'est aussi à l'image des artistes nigériens, on voit qu'ils ne sont pas soudés. C'est quoi le problème bah, aujourd'hui, là, c'est changé. Tu as vu tous les artistes, toi-même, tu as vu tout le monde. Tu as vu les phénomènes, Javi, vu Yacoub Denknek, Bourem Disco, Hachetou Dankwali. Tout le monde est là. Tous les artistes sont là. On est soudés maintenant. On est soudés. On va commencer à travailler. Travailler aussi pour le pays, pour la culture eh, nigérienne. Donc vraiment, on va dire merci à nos artistes. On s'entend bien, bien, bien, bien, bien. Ça veut dire qu'avant, il y avait, il y avait un petit problème avant. Non, il n'y a pas de problème. C'est les gens qui ne savaient pas. <laughs> il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème. On se voit toujours, mais les gens ne savent pas. Mais maintenant, si on veut, on veut que vraiment connaître notre culture, il faut qu'on travaille ensemble. Maintenant, c'est ça, on, a commencé de travailler ensemble, c'est ça, sinon on s'entend bien. Voilà, Maliaro de Gombestar. Euh, Gombestar qui fête samedi prochain son 20e anniversaire. Pour cela, il y aura des manifestations au palais de congrès de Niamey. Voilà, je vous rappelle que nous avons parlé des eaux du fleuve, euh, baisse et situation contrastée et de montée. Nous avons aussi parlé de la ANEA, de l'autorité, de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique et surtout vous avez ri avec euh, la cinquième édition de la Tabaski du, rire avec des humoristes comme Adama Daiko et le magnifique de la Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève euh, ce forum. On se retrouve demain pour un autre forum à la même heure et aux mêmes fréquences. Merci de nous suivre. Bonne soirée.